suñ mën a en même temps euh, de côté de la régie ba bu ñu xol li nga xamné justement euh, ces attaques mu lo xamni tam donc comme ni nga gissé non c'est bi ay euh, moto Jakarta yu ñu euh, di ko dóor waaye itam di wàccee sen ay borom ñana xamni xam ni itam ñoo si daal di nekkoon en tout cas mu nekk ay image yu euh, quoi qu'on puisse sur exactement alors Arfan euh, campagne bi dox avec justement violence bi nuit bi nga xam ni itam ñu ngi daal di seetlu jamono ji mais tout d'abord ana naka la daal di jàngatee cette attaque bi nga xam ni itam am na force daal di Koungheul ñu daal attaquer le convoi surtout bu nekk au pouvoir concrètement oui lolo, je crois que wax naa ko ko Personne ne cautionne la violence physique que la, ou la violence verbale qui l'espace politique je crois que lolo sax euh, bind naa ko ci ma euh, passe ça sama pas X euh, man maa lolo nakarlu loolu maa ngi koy ñaawlu fu yem parce que aussi attaquer un convoi en plein donc campagne électorale je crois que lolo c'est nous mënu ko cautionner de deug que ce soit mu fété n'importe quel bord man je ne cautionne pas cette violence là on ne doit pas attaquer les caravanes qui sont en pleine campagne électorale au nom de quoi au nom de quoi on doit attaquer ça dit que de la même chose du noir pour Barthélémy Diaz euh, sa collision avec Abbas Fall à Dakar c'est la même chose là condamner lu à Kungel. lu à Kungel. je ne cautionne pas ça il faut que vous comment on peut attaquer un convoi d'un leader qui est en train de battre campagne Nous attaquer quoi parce que Ousmane Sonko aujourd'hui si c'est Ousmane Sonko qui a attaqué en premier da ngay le bruit que ça va faire dans ce pays da ngay les manipulateurs disent le parti au pouvoir le convoi de Sonko a attaqué a attaqué mais le malheur est que c'est des gens les journaux ce qu'ils ont révélé les gens de la coalition Takou de Macky ont qui ont attaqué Ousmane Sonko pourquoi on doit attaquer Ousmane Sonko à Kungel? ça a toujours été à Kungol Maïfa telekou, coup caravane de la paix Koungheul a ko diapé. Kungel la ñu jàppee Ousmane Sonko aujourd'hui son convoi a été attaqué encore une fois à Kungel. toujours à Kungel. Mais euh, Non, non, euh, non, non, non, avant, non, sérieux. Avant, pourquoi pourquoi toujours à Kungel déjà, il y a une déduire exactement. Non, mais. Japonais Takuwalu là. Mais Takuwalu Damane, Damane. À tout 2023. Mais avant, est-ce que tu as des fois. Euh, l'agissement justement de ces sympathisants aurait peut-être d'une dépendance qui n'a pas que Macky Sall euh, est-ce que euh, euh, ces militants ak émotion si militants concrètement les témoins oculaires des faits les témoins oculaires des faits la coalition taku walu, l'intercoalition attaqué le convoi de Ousmane Sonko Nous ont wax. Hmm. reprendre les témoins oculaires la le convoi de Ousmane Sonko a été attaqué par l'intercoalition ou Taku Walou. Tu vois la voiture là qui est avec euh, la, photo, la photo de, de, Fantasal. Hmm. Tu vois Fantasal. mais euh, mais directement le responsable de la coalition de Takualu à à Fantasal. Fantasal mom lañuy atta attaqué euh, lañuy lañuy ni attaqué le convoi de Ousmane Sonko mu ni dans les images vous voyez même les images donc pour nous la je ne cautionne pas ces violences là ça ne rime pas Koungheul du titre foncier Ken Koungheul non du titre foncier Ken donc nañu baye violence bi xam na la bu féké Ousmane Sonko mo attaqué. Vous le bruit que ça va faire Daniel non Ousmane Sonko est violent il a toujours été violent son convoi a attaqué mais malheureusement ce que Dieu fait c'est toujours le convoi du parti au pouvoir la attaqué que ce soit à Dakar que ce soit à Koungheul toujours des gens qui attaquent le convoi euh, de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qui explique cela quest qui explique euh, par rapport justement à ces attaques qui nga contre le parti au pouvoir. mais mais c'est un signe un signe un signe faible. un signe de faiblesse. un signe de faiblesse. parce que l'argument c'est pas la violence. L'argument électoral, c'est pas la violence. L'argument électoral, c'est un discours c'est un rendez-vous entre un homme et de son peuple. C'est ça l'argument électoral. Mais l'argument électoral, nous nous basons sur la violence physique, la violence morale. Mais moi, je ne suis pas d'accord de ça. Moi, je ne le cautionne pas. Que ce soit Moudjogé ou Moudjogé Fait. Il faut arrêter d'attaquer les convois. Damane, Macky Sall, ak loko manta wahal. Ki caravane fi, Macky battre na fi campagne durant beaucoup d'élections, personne n'a attaqué le convoi présidentiel. Quel Moussouko attaqué Wa pastef luñu si que si que si que si musuñu attaqué convoi Macky Sall. Musuñu def. Pourquoi aujourd'hui des gens attaquent le convoi de Ousmane Sonko Au nom de quoi Damane, vous faites que amna allez les les les vidéos. Quel a attaqué convoi Macky ak bagne bagne bañ bañ bañ ak loko def def qu'elle nous musul attaqué convoi présidentiel mais pourquoi aujourd'hui des gens se sont entrés d'armée de courage d'armée de courage de attaquer le convoi présidentiel est-ce que xam nga ni ko Ousmane Sonko convoi am quest kessé il y a la GIGN la GIGN était avec Ousmane Sonko. Donc c'est très dangereux d'attaquer. C'est très dangereux d'attaquer le convoi de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. C'est très dangereux. Mais ça dit que ça dit que le casque casquette premier ministre lay doxé ni avant. Il faut le préciser. Dama né la juge la juge chef de parti. Dama juge mu ngi ci même Amadouba. Des éléments de la GIGN sont avec le convoi de Amadouba pour ne le ministre de l'Intérieur de distribuer mais pourquoi euh, distribution après. mais pour assurer kaaraange candidat mais mais enfin malgré cela. on pour assurer euh, mais malgré cela on a assez ces violences exactement. Le dire que les gens les gens qui incitent cette violence là à la violence ils ne s'en rendent pas compte ni que ces convois là sont armés par des éléments de la GIGN parce que nous, nous la la grenade lacrymogène c'est très dangereux d'attaquer un convoi présidentiel gis nga ku ñu xelaloon faire mooy aventurer wu dans ces choses là kep ku ñu xelalul ak ku bëggul on na attaqué convoi Ousmane Sonko c'est-à-dire que non ma di menacer man je ne menace pas c'est-à-dire que il faut conscientiser les gens on doit conscientiser les gens pour nous mesurer la gravité de ce qu'ils sont en train de faire le convoi de Ousmane Sonko ku ko attaqué mooy maanaam yow ken xelalu la le bug de la la conseiller pour attaquer un convoi de le convoi de la mouvance présidentielle politique diaroli alors c'est mi euh, C'est leader c'est leader bi ngay défendre. jaarul il ba ngay yow nga attaquer un convoi présidentiel. Hmm. un convoi de la mouvance présidente qui est en pleine campagne électorale. alors alors alors que la jeune ça veut dire que ils sont avec Ousmane Sonko ñu sont ñu ngi ak boo bon sécurité Ousmane Sonko autour de Ousmane Sonko. tu vois pas les éléments de la GIGN pourtant ils sont là pourtant les éléments de la sont là. les alors c'est clair il faut que les gens arrêtent. alors avant ñu desandi une bataille si li nga xam attaque bi nga itam amal ko euh, si Ousmane Sonko exactement donc mi ngi par rapport à li nga xam nekk moo di ces premières images ni ñu ko en tout cas ay responsables politiques yu APR na ñu leen di euh, allant dans ce sens c'est boobu de li nga xam attaque alors. leneen itam du côté de la régie euh, Babs qui li nga xam modi justement première jàngat.